panafricaniste, offert de l'enfance de l'avenir. Jeunesse d'Afrique, jeunesse panafricaniste, offert de l'enfance de l'avenir. Aujourd'hui, la FADA s'est installée euh, à la cité Bagalé, c'est ça, non? Voilà. Fatima Rico, une diva nigérienne qui chante pour la jeunesse africaine. Et c'est avec cette chanson ultra symbolique qu'on va se lancer dans la fada. Amis de la fada, on lui applaudit Fatima Rico namna bonsoir très ravi de vous retrouver pour ce shirin na matasa da studio kalangu ke sarrafa muku chaque samedi et dimanche à partir de 17h sur les ondes de nos 47 radios partenaires Megabata gabatar da shirin aminiyar ku rabia mai kano na san dai kuna da masaniya bisa kan babban taron nan na tsakanin matasan kasashen afirka da shugaban kasar faransa qui s'est tenu du jeudi 7 au samedi 9 octobre à Montpellier en France un 28e sommet qui a littéralement cassé Internet et qui a fait les gros titres de plusieurs médias. Wannan muhawarar dai a tsakanin shugabannin kasashen Afirka ake yin ta da shugaban kasar Faransa. Amma wannan karon sai Emmanuel Macron ya gayyato matasa venus de 12 pays d'Afrique, activistes, influenceurs, artistes et entrepreneurs sur des thématiques telles que l'engagement citoyen, la démocratie, l'innovation et l'entrepreneuriat. To yau mun fada tare da wasu matasa da ba su wannan ces jeunes qui nous reçoivent aujourd'hui ont initié une série d'activités afin de réagir sur le sommet. Zamira hira tare da su, mu Mineni, wannan reaction kin tasu menene ra'ayinsu kan bisa kan wannan taron da aka yi kuma wannan ra'ayin da suke da à cette fois-là, nous sommes avec Saleh Yakouba Hafsatou. Elle est étudiante en normale supérieure. Ça va Ça va Tu vas bien, Hafsatou Oui, je vais bien. Super. Mboubakar Saleh Abdelkader. Lui, il est étudiant en sociologie. Exactement. Ça va ouais, ça va. Tranquille. Bienvenue sur la FADA. Merci. Bonne FADA, bonne tarada. Labra Moussa Sonoussi. Lui, il est étudiant en philosophie. Et allez, la Oui, ça va, très ah, bien. Laoli Hashimou euh, Nana Salma, étudiante en droit. Ça va, Miss ça va, je veux bien. Tu vas bien, Ça va, je veux ah, bien. Aujourd'hui, là, timidité, la faut mettre ça de côté. Hein. La fada, là, c'est chaud, chaud. Vous en faites pas. À cette fois-là, nous avons également Abdul Razak Oumaroulou, l'étudiant en philosophie. Yale Dadawa. Abdou Moussa Moussa, il est étudiant en lettres, arts et communication. Ça va Oui, ça va bien. Tu vas bien Alhamdulillah. Super. Donc, dans la FADA d'aujourd'hui, je le disais tantôt, nous allons voir la réaction des jeunes Nigériens qui n'ont pas participé au sommet. Et vous le savez bien, il n'y a pas de FADA sans musique. Vous l'avez compris tout à l'heure, on était avec Fatima Rico. Nous aurons la rubrique L'affaire de Mr. Dondi » et la chronique de notre chroniqueur, Olivier. Le premier sommet se tient à l'Elysée le 13 novembre 1973, à l'initiative du président nigérien Jori Hamani, sous la présidence de Georges Pompidou, en présence de dix délégations de pays africains, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Sénégal, et des ministres du Congo, Brazzaville, du Bénin, du Mali et du Togo. Mais le mot qu'on puisse dire, c'est que Wannan, Taron, da aka yi a garin Montpellier a ƙasar Faransa bai samu karɓuwa ba wajen kowa da kowa. Cikin waɗannan matasan na Nijar wanda suka tahi, zan mu shurari eh, ra'ayinsu cikin wannan rahoton na aminar aikin Talata Abdu, Dofi Montpellier. Vraiment, c'est que cette jeunesse-là prenne conscience de l'importance de connaître d'abord son patrimoine. Connaître son patrimoine, c'est connaître euh, aujourd'hui euh, l'identité culturelle même de son pays. Parce qu'un pays sans identité culturelle, et aujourd'hui, c'est comme si la personne se lève le matin et il sort tout nu. Ça ne va pas changer tout de suite. Donc, euh, il y a du travail à faire du côté africain et du côté français. Il y a un vrai travail à faire sur les mentalités, sur la façon de voir les choses. Il faudrait que nous, en Afrique, que nous sortons de notre astana. Il faut qu'on sorte de cela. Ici, en France, il faut qu'ils sortent aussi de leur, euh, de façon de voir l'Afrique en ne voyant que le côté euh, aidé, à L'un de l'autre, c'est vrai, il faut se le dire, cette question des biens culturels, ça appartient d'abord au pays de dire dans quelles conditions les objets sont sortis. Quand vous prenez l'exemple du Niger, jusqu'à présent, eh, il faut qu'il y ait une réaction de l'État du Niger pour dire dans quel musée vous avez des objets et quels sont les objets pour lesquels vous voulez restitution ou retour. Ok, da aka a wannan créant par la même occasion une polémique sur la toile que pensez-vous vraiment de cette formule de cette nouvelle formule de rencontre kasar macron da Merci beaucoup. Mhm. Et je crois que ma position par rapport à ces sommets, elle est très claire. Je suis totalement contre ces sommets. Et maintenant, même par rapport à la formule, d'abord, moi, c'est dès le début, c'est que j'arrive pas à bien concevoir ou bien à bien comprendre comment est-ce que un président d'un seul pays peut décider de rencontrer déjà avant les présidents de plusieurs pays. La France peut avoir un sommet avec un autre pays, mais un pays avec son président décide de convoquer tout un continent, j'arrive pas vraiment à le comprendre. maintenant, par rapport à la formule là, hmm. Il consiste à appeler la jeunesse. Je crois que euh, le président Emmanuel Macron s'est inscrit dans une logique de vouloir nous divertir, de vouloir nous détourner de nos attentes principales. Et nous ne sommes pas ah, prêts à continuer dans cet élan-là de vouloir jouer avec la conscience des Africains ban ban to yanzu eh, Hafsatu Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre Moi, personnellement, c'est que je pense de ce soi-disant sommet parce que moi, je ne considère pas ça comme un sommet, un président qui convoque tout un continent, comme l'a dit mon euh, prédécesseur. Il l'a fait, c'est juste, pour moi, c'est une hypocrisie masquée, quoi. On l'a toujours dit, la France n'a pas d'amis, elle a seulement des intérêts. Donc, s'il fait ça, c'est bien qu'il vise d'autres intérêts. Donc, il y a ganin qui inda wannan taron aka yi shi akwai akwai Oui, oui, tout à eh, fait, exact. Baban zaba aka yi wannan taron akwai wata 'yar Oui, oui, c'est pas pour rien. To, kun Il y a un an gisu Roche. Je reviens vers toi, euh, Razak, ina so in sani, wai cikin wannan harka wannan taron,

maganganu wanda an ka tsaya bisa kai gare su wanda za a tawa na afirka a yi mana abubuwan da muke jira in mun ka tai cikin tarihi lalle wannan taro ni tun harkon shi ma ni wannan taro ban yadda da shi ba dan mi za a ce yau faransa karamar ƙasa wadda ko ƙasa ta nijar da nike cikin ta tahi ta girma za ta tattara shugabannin ƙasa sun kai nawa mutum guda ya to ya sa su gaba suna tambaya yana ba su amsa suna tambaya yana ba su amsa wani bi ma amsoshin da yake ba su na renin wayo ne dan babu girma cikin maganganun na maganar da nake so in gaya ma afirkawa nan ga ya kamata mu gane cewa tanke yau da gobe za mu bi bayan faransa ba za mu taɓa cigaba ba ya mm. kamata yau mu tsaya bisa kai gare mu san cewa nan ga ƙasar mu afirka nan ga nijar ƙasa ta ce in ba mu tsaya mun ka kama jikinmu ba mun ka ce kullum in dai wani taro za a yi sai mun tahi mu dogara ga nasaru su da saru kowa ya sani tun cikin tarihi su bayan yan su suke ba su taba taimakawa sun haɗi har shugabannin kasashen sun haɗi sun ce faransa ba ta da abokai amma tana neman yantere yantiyarin su suke biya kenan ya kamata mu gane mu ma yanzu duniya da ta kai tere mu ma sai mu nemi namu tere mu namu ci gaban mu na afirka ba haka nan ne zancen zancen haka nan yake yau cikin Nijar kowa ya san matsalolin da gare mu yau ana nan cikin garuruka ana kashe mutane kun gani cikin tilibiri ana yi an yunwa paske in mutu ya ta noma sai a tare shi a kashe shi wa zai na noma akwai matsaloli da yawa waɗanda mu muna buƙatar gyara nan ga amma da samarin mu sun ka tafi can faransa babu abin da sun ka ɗauka sai hotuna mun ga hotuna sun yi ta yawo bisa kai gare zo sosiyo sai na ceto mu samarin ga namu na Nijar da sun ka tahi su ba su san matasan ga namu na Nijar eh. da mata da sun ka tahi su ba su san cewa Nijar muna cikin matsala ba ba su san cewa wannan ga Nijar ba akwai rashin tsaro ba su san cikin Nijar ba akwai matsala matsaloli da yawa wanda zai daukowa daga ilimi fannin kiwon lahiya abubuwa da yawa amma ni sai na gani abubuwan da sun ka bani mamaki sosai daga babu wanda ya magana cikin su amma sun yi ta dauka hotuna suna yaɗa ma duniya su sun taiwa wannan shurare ka sun ka taya taro in na shurare ka kamar dai kai ka so a ce eh, wannan taron an tahi haka ne eh. amma kuma a san irin magana da za a yi to bari in dawo wajen ka mm. sanusi to kai gaya mun kai ma wannan position kin nashi ta ka ce kai ma ra'ayinka ne haka nan ko akwai wani abu da ka gano kai kwarai matsayina na matashi yadda ya ce muna tare mun haɗa kanmu wadda ka san yadda ake cewa tsinciya maɗarmin ki ɗaya wato mun gane cewa yadda ya yi bayani wannan taro sun dai ne su zo su yi shu su dawo sun je ne su gano abubuwa su dawo gida me yasa ne ce haka ne yana da hujjoji da dama yau taron ma mu ba mu ga unhwanin shi ba saboda shi yasa mu muna evole dans une organisation anti-impérialiste. Voilà pourquoi Sonatan Sona se met en sous. Nous, comment on a organisé un contre-sommet pour dire que non, nous, on n'a pas besoin de ça. On est contre ça. Rien du tout en ce qui concerne l'aspect positif, on ne voit rien. Ok, on va revenir sur vos activités euh, que vous avez initiées. Comme mu que gaba da hira tare da ku zan mu je mu leƙa don di mu ji cikin rubrikin tashi da waye et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, Surtout Salafada, nous allons encore recevoir le concepteur de l'application Karatou Postback. Idriss Abdullawali, Dondi, la machine, te souhaite la bienvenue sur l'émission Tous Fada. Mon frère, comment tu vas Je vais très très bien, Dondi, et toi c'est pas toi qui cuisines aujourd'hui, c'est moi qui te cuisine. <laughs> Je vois ça. tu es un jeune Nigérien rappelle rappel, on t'appelle Idrissa Abdullawali. Tu es concepteur de l'application KPB. Tu es ingénieur logiciel. Moi, j'ai tout en tête hein, parce qu'on t'a une fois reçu sur une de nos émissions. Tu as travaillé dans les grosses compagnies ou euh, les grosses industries industrielles de la France. Entre autres, Airbus, tu as concevoir des avions. Parce que Airbus, c'est des avions que vous euh, fabriquez de l'autre côté. Alors, Idriss Abdelawali, quelle que soit ta contribution, même s'il faut, je ne sais pas, mais je suis sûr et certain que tu as contribué. Idrissa, je te souhaite sur cette émission pour qu'on puisse parler de l'animateur, pour qu'on puisse parler du présentateur. Parce qu'on reçoit des artistes. Et tu es un artiste présentateur. Tu présentes, n'est-ce pas, de rubriques sur euh, les réseaux sociaux. Et tu as beaucoup aidé aussi nos amis scolaires à travers la rubrique académique que nous avons tous kiffé sur Télématin, sur Dunia TV. Alors aujourd'hui, Idrissa, Parlons de toi. Parlons de ton corps. Parlons de l'animation. Parlons de tout ce qui t'a motivé, euh, n'est-ce pas, à créer cette application, à aider les étudiants. Et parlons de tout ça, Idriss. D'accord, d'accord. En tout cas, merci à euh, toi de me recevoir ici. Je suis très heureux de pouvoir parler à ceux qui nous regardent. Mais... Donc, euh, parler de Karatu Postbac, comme tu l'as dit, Karatu Postbac, c'est le moment en ce moment, on va dire, orientation, l'orientation, les gens se cherchent. C'est très important. Et comme tu l'as dit, t'orienter dans le monde académique, c'est connaître Karatou Postbac. Tout à fait. Donc, euh, donc comme tu l'as dit, moi, à part Karatou Postbac, qui est un gros projet finalement euh, et euh, source d'inspiration de beaucoup de choses de mon parcours à moi, parce que mhm. du coup, moi, j'ai eu le bac au Niger et ensuite j'ai dû partir au Maroc d'abord pour étudier, sans rien connaître de ce pays, il a fallu se débrouiller. Et ensuite, j'ai compris que je pouvais aller loin dans des meilleures écoles. Je suis allé en France, donc dans une école d'ingénieur où je suis justement devenu ingénieur. Ouais. Et où, du coup, euh, entre toute autre difficulté, on a compris qu'il fallait s'entraider. On a créé des associations pour faire vivre la culture, mais aussi pour aider nos frères et sœurs en fait qui arrivent étudier euh, en France ou dans d'autres pays. Mhm. et, euh, et, sur ce parcours-là, j'ai vu que tout ce que j'avais fait, en fait, je pouvais l'apporter différemment à ces jeunes qui sont restés au pays, mais qui sont aussi dans beaucoup d'autres pays africains. Donc c'est pour ça que j'ai combiné les deux passions qui étaient l'éducation euh, que j'avais développée à travers l'associatif et aussi de l'informatique du coup euh, pour créer l'application mobile d'orientation Karatu Bac. Tout simplement, KPM, mesdames et messieurs, déjà disponible hein, euh, sur Play Store et aussi Apple Store pour nos amis hein, parce que nous on aide, hein, on, essaie d'aider euh, les, étudiants pour qu'ils puissent se retrouver. Et le téléchargement d'une manière ou d'autre est gratuit. Alors surtout ça la Farah, nous avons 47 radios partenaires et les jeunes parce que réussir aussi c'est savoir s'orienter c'est important. On peut être brillant et aussi euh, tout perdre. Hein, Exactement. C'est pas toi qui vas me contredire Bien sûr. C'est très mauvais parce que euh, je ne vais pas donner de nom, mais récemment on a reçu quelqu'un qui a qui a la mention très bien ou qui en tout cas qui est, et beaucoup d'autres qui ont les mentions bien mais finalement c'est un moment décisif parce que ces gens-là qui sont talentueux, qui ont un peu ou beaucoup en tout cas dans le cerveau, c'est le moment qu'on puisse les accompagner pour qu'ils réussissent des grandes études et qu'ils viennent contribuer au développement de notre pays. et c'est notre devoir en fait en tant que citoyen, c'est notre devoir en tant qu'être humain aussi de pouvoir euh, faire cela. Je suis d'accord avec toi. Oh, on a aussi l'habitude de recevoir sur l'émission euh, la rubrique que tu présentes aussi des gens qui ont su s'orienter, qui se sont retrouvés à travers déjà des, exemples types hein, de parcours. Ah ben évidemment. Hein. On a Faji, Fajimena qui est à la NASA aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une référence Faji qui est à la NASA. Exactement. On a aussi euh, Nabia, la cité qui est cancérologue aussi, euh, l'une des seules cancérologues en tout cas euh, docteur docteurs en cancérologie plutôt qui... ont su s'orienter. Exactement. Parce que quand et, tu euh, rates l'orientation, <laughs> c'est compliqué. Non, il y a, y, y a, tellement de Exactement. Et nous, on propose des modèles justement de parcours ou des gens pour inspirer et surtout casser des barrières d'autocensure de jeunes. Parce que c'est des gens qui. J'ai par exemple, elle est née aux, à Zender, elle a vécu les écoles publiques et aujourd'hui, quand même, elle est à la NASA. Bien sûr. Qui l'aurait cru pas ah, elle, Bien sûr, pas Bien je suis tout à fait d'accord avec toi. Des gens qui sont euh, aussi inspiratoirement inspiratoires entre griffes. C'est ça l'émission Tous à la Fada. Nous avons nos propres termes à nous. Idrissa, nous sommes donc à la fin. L'instant est solennel. Eh. Alors, mes conseils Orientez-vous déjà, mais comment s'orienter S'orienter, c'est surtout aller chercher l'information, être curieux de ce qui vous entoure, N'hésitez pas à poser des questions à vos aînés. N'hésitez pas à poser des questions à votre téléphone parce que je sais que vous y êtes tout le temps, mais pas sur WhatsApp, mais allez sur Google, cherchez les formations, cherchez aussi les vidéos contenus qu'on vous développe en fait, en fait pour vous aider. Et surtout téléchargez Karatu Post Back. Et c'est là que vous allez trouver toutes les infos qu'il vous faut. Venez nous contacter, nous on est en tout cas heureux d'échanger avec vous on croit en vous. Vous êtes la pierre précieuse dans laquelle il faut investir. Et c'est vous la, première personne responsable de cet investissement-là. Ainsi parle l'ingénieur. Idriss ville, c'est le concepteur de l'application. KBB, je prends congé de vous. Ladies and gentlemen, on se retrouve demain dimanche, même heure, même fréquence, ce qui la donne qui va changer. On revient à la fada, c'était Dondi dans la rubrique L'artiste s'exprime. Yo, mon na muna hira da ɗaliban jami'ar Abu Mumuni. yo su suka gayyace mu wannan babban taron da aka yi a ƙasar faransa su dai a nan wanda ba su halarta ba ba su tahi ba wannan taron su da suka ce bai musu ba sun yi shagulgula da drama don nuna rishin yarda su da tsarin wannan taron kai da taron ma dukan shiga sunan sun ba da ra'ayinsu bisa kan shi to wai ina so in sani wannan shagulgulan da kuka yi zan dawo wajen ka, musa wannan shagulgulan da kuka yi wai qu'est-ce que vous visez à C'était quoi l'objectif To wannan shagulgulan da kuka gani eh, conference da mahawara duka kuka Mahawara da mun kai mu daliban eh, jami'a Abdul Mumuni. Mm. Mun yi shi na don mun gane da cewa kaman matasan Nijar. Eh. Sun gane da cewa taron nan da an kai can ƙasar Faransa. Kawai taro na an kai wanda an kai mutane dan dai su ta yi su sha shagalinsu wasu su yi wanka cikin ruwa wasu ta su yi su shiga wani waje su yi abubuwa ga sunan da dama mu mun gane da cewa ba wani abu na wanda zai sa ci gaba kasan Niger da Afirka duka sai muka ce to bari yanzu mu da matasa matasan da ayan Niger mu gwada musu da cewa ga aikin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su yi dan dai su gwada ma wannan shugaban kasa wanda ya yi doki mutane kaman biri da banana kamar tun da wannan taron da an kai mu mun gane da cewa kamar ya doki matasan biri shi kuma shi da banana kenan bari ya ya kawo su ya ba su bananan su su su amsa shi ya sa mun ka nuna mun ka yi domin ka ce tir da Allah wadda da wannan taron da sun kai tun da mu mun gane da cewa kawai taron da an kai nan dai ya shirya dawo shi tun da kun ka kun ka duba a saman siyasa yana nan yana nan ga dudduba da cewa kamar so yake dawo kenan a cikin yi shi me ya kamata yi tun da ya gane da cewa matasan afirka sun gane yi shi yanzu su yake dan da ya dawo ya gwada mana da cewa shi yana kamar yana da uzuri sama mm, ya kula da yana da kula da sakan harkokin yan matasan afirka mu mun gane da cewa kawai shirme ne ake nan gai kuma matasan afirka wanda suke can kasar eh, faransawa muna kira gare su da cewa su zo gida in dai suna da hali su zo gida a zo a kama a tadda afirka a tadda Nijar a tadda ko'ina da ko'ina da mun gane ne cewa ka abubuwa duk abu da ake nan gari muna ya isa kamata mu tashi hannu da hannu mu kama mu tadda da mu to mm. yanzu na ji zancen ka ku dai kun yi wannan muhawara eh, ba ma ɗaya ba ya ne za ku yi kin yi matasan Nijar da ba su ji ba ba su gani ba abin da kuka yi ya za ku yi ku sa su suma su bi taku su bar ayinku D'abord, mm. avant de répondre à la question, j'aimerais apporter une précision. Mm. Le contre-sommet que nous avons organisé, ça ne veut pas dire que nous sommes contre le peuple français, ça ne veut pas dire que nous sommes contre la France. Ça veut dire tout simplement nous sommes contre la politique française concernant les pays africains. D'accord, c'est bon de clarifier ça. Voilà. Et par rapport à ce qui nous a poussé à organiser le contre-sommet en tant que tel, mon ami, mon camarade vous a expliqué que nous, nous évoluons dans une structure qu'on appelle anti-impérialiste. La vulgarisation, ça va se faire avec vous, avec les médias. Ah, déjà au, niveau, déjà au niveau de la déclaration, nous avons invité presque tous les médias il y a plusieurs médias qui ont répondu, qui ont passé l'activité à la télévision et aux radios. Je crois que là, ça va nous permettre d'atteindre beaucoup plus de jeunes qui ne sont pas à l'université. Mhm. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Nous avons tous nos smartphones, nous allons faire des publications, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, pour pouvoir atteindre le, atteindre le plus grand nombre de jeunes possible. Mhm. Pour, que, nous puissions amener la jeunesse à comprendre qu'en réalité, est eh, un autre pays, soit-il la France, ne va pas résoudre nos problèmes à notre place. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre que que ce soit les Français, que ce soit n'importe quel peuple ne peut pas venir chez nous ici pour résoudre nos problèmes. Il va falloir assez que nous nous décidions pour combattre l'impérialisme. On n'a pas dit que nous ne pouvons pas être en relation avec la France. Nous sommes dans un contexte de globalisation, de mondialisation, mais il faut que ce soit des relations d'égal à égal il faut qu'on nous respecte comme nous respectons les Français. Il faut que égal. égal à égal. Et le respect total. Et le respect total. Ben voilà. voilà. beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Euh, la prochaine question. Ina so in san akan bacin wannan taron. To Salma ina so in sani akan bacin wannan taron da aka yi. Da mi kika so a yi. Comment tu aurais aimé que ça se passe autrement? Qu'est-ce que tu aurais voulu changer? To gaskiya ga wanga taro da aka yi. Hmm. Ni comment ce que j'aurais voulu Dans a yi eh. bai ma kamata afiriken su amsa ma convocation kin abun ga president faransa da ya yi musu ba su ta can mm. in yana so a gyara in yana son masalaha shi zai isko mu nan inda muke afirika kuma yadda ma ya kamata a yi da kamata inda so yake ji kamar avikin jeunesse mm. da peyi par peyi zai bisko shi shi kadai ne ba ta mm. yiwa ya tara duka garuruwa na afirika a ce dan shi kadai sun isko shi da kamata ya ce peyi peyi zai tahowa peyi peyi kin ma wani some ne za a yi a tara kamar duka eh, dalar region a yi invitan da region waɗanda za su zo za su iya gaya mishi gaskiya ba su jin tsoron shi a tara wani babban taro cikin gari kowa a sa shi gaba duk matsalar da ke akwai a gaya mishi a gaya mishi gaskiya zan zo wajenki Hamzatu ici même à l'intérieur même à l'interne au Niger c'est la politique de Pâques, parents à mieux connaissance. Par... Quand tu te retrouves pas dans cette affaire. Voilà, franchement. En tant que jeune, comme il l'a dit, c'est pour prendre des photos. On est allé euh, avec le président, on a pris des photos. Souvent, il y a certains même, c'est leur première fois pour euh, prendre l'avion. Donc, euh, c'est une occasion pour eux de <laughs> prendre l'avion. C'est vraiment désordonné. Ça n'a pas de sens en fait. Ah, ok to kun eh, shi dai eh. amin ah, na fara muna nan muna ci gaba da hirar mu tare da matasan jami'ar abdulmumuni da suka gayyato mu yau muna tare da sale yakuba hausa Elle est étudiante en, uh, à l'école normale supérieure Boubacar Saleh Kader étudiant en sociologie. Labara Moussa Sanoussi, étudiant en philosophie. Lawali Hashimu euh, Nana Salma, elle est étudiante en droit. Nous avons également avec nous Abdul Razak Oumarou, étudiant en philosophie Abdou Moussa Moussa. Lui, il est étudiant en lettres, arts et communication. Je namu ya kusa zuwa amma mu shakata. Amma da ina ji wani waƙa ta Fatima Riko, ko ko jeunesse africaine. Donc on va encore écouter euh, l'attentif Fatima Rico, jeunesse panafricaine, fer de lance de l'avenir du continent. Et on se retrouve juste après. l'émotion, de la réaction des jeunes par rapport au sommet France-Afrique qui s'est tenu à Montpellier. Wannan dai taron da aka yi le nouveau sommet France-Afrique ya ne wannan matasan wannan ne ra'ayin nasu bisa kan wannan taron. Ya suka gane shi, mi suke so a canza, mi ya musu, mi ya bai musu ba saboda shi yau muka zo jami'ar Abdul Muni tare da wannan matasan. Tambaya ta ta karshe bisa kan wannan shirin. Wannan ba tambaya ba ce, buɗa muku mikro zan yi. kowane ya gayi abin da kowa ya gayi maganar shi a landruwa de jeune africains nous écoutent. Mm. Eh, ni na wanda Sanusi ko? Oui, eh, Sanusi. shine ya kamata a ce matasa sun san ciwon kansu, su zan masu zuciya masu kishin kasarsu saboda yau babu wanda zai zakkowa da wata ƙasa ya zaka ya gina ƙasarka. Mm. Ya kamata matasa su gane da cewa nous avons beaucoup de réalités. When, en um, principe, on ne peut pas développer l'Afrique sur des normes qui lui sont étrangères, comme disait Thomas Sankara. Quand vous prenez la jeunesse, nous sommes obligés de nous accepter, d'accepter notre destin, parce qu'aujourd'hui, si vous faites le constat, la jeunesse euh, africaine a beaucoup de choses sur lesquelles il faut vraiment renoncer. Aujourd'hui, nos comportements comme vous voyez souvent, on doit accepter d'être un Africain digne parce qu'en Afrique, nous avons quoi Des valeurs. Nous avons une valeur et cette valeur n'est autre que l'intégrité. Voilà. Bon, moi, je crois que euh, bisa kai ra'ayukan da zan haɗi mm. bisa kai taro da an kai a Faransa. Da Allah raza kai kaɗan. Eh. Eh. Gaskiya ba a gurguje bisa kai <laughs> eh. taro na cewa samari namu na ƙasa afirka da suka tai can matasa matasa eh, da 'yan mata suka tai suka ga shugaban ƙasa faransa emmanuel macron ya kamata a ce sun shirya sun tai sun tunkare shi da makamai na yaƙi makamai na yaƙi gabaki ai na gaya miki ni dan arewa <laughs> eh to shine na ce miki wa'an ga maganganun ya kamata a ce sun shirya da makamai na yaƙi wanda in suna mishi magana sai ya zazzaga ya zazzaga ya gane cewa lalle lalle ga. matasa na ƙasar afirka suna cikin matsala kenan ko zuwa shekaru masu zuwa in za a yi irin wannan abubuwan ya kamata waɗanda za su tahiya su mahalarci wannan taron a shirya su sosai mm. waɗanda ya kamata su ta su faɗi maganganu matsaloli waɗanda gare mu kuma zan faɗin wata magana nan ga afirka har yanzu na gane cewa ba mu da haɗin kai ba mu da haɗin kai kuma idan ba mu da haɗin kai ƙasanmu akwai wuya a ce ta ci gaba na yanzu bana iya ba kingin batun da lokacin namu ya zo karshe miss tu vas conclure cette émission magana ki ta karshe bisa kan wannan shirin ina son in ji shi salma gare ki to ni kiran da zan yi ga matasa na afirka shine ya kamata mu duka mu matasa na afirka mu san matsalolin da ke damun kunci nan kinmu kamun ma muke zuwa neman magani biske ba ka iya tahiya ka ce za ka ta ka yi yaƙi na nemo na eh, ma za a ce na eh, neman ici na neman magani a lokacin kai ma kanka baka sai inda yake yi maka ciwo ba kenan ya kamata a ce mun dawo mun san istuwar kin abin ga kwanci nan kin mu mun san mi da mine ne ke akwai cikin kwanci nan mu mun san mi ke gare mu na kwarai mun san mi ke gare mu wanda ba na kwarai ba wanda za mu neman mu ma kanmu mu gyara ba sai mun jira an ce yau wata ƙasa ta zo ta ka mun eh, taimako ba ko ku wata ƙasa ta zo ta dan ta gyara mun ba a roke mu ga mu mu ma kanmu muna iyawa yanda tunda da su ma mutane ne yanda aka halice mu haka aka yi su kenan abin da duk wani yake iya yi mu ma muna iya yin shi puisque genre, euh, le même les mêmes kama mutane wayo ne suka yi juna tunani ne suka yi juna mu ma in muka zamna muka yi nazari duk matsalolin da ke eh, ke damu a afirka mhm. muna iya magance su mu kadai ba ma sai mun nemi gyara ga wasu ba to tu as tout bloqué en fait on lui applaudit la miss mais voilà euh, Notre émission tire à sa fin, mais avant de se dire officiellement au revoir avec nos invités, on va recevoir Olivier et sa chronique. Moi, je suis Beaucoup d'événements ont mouvementé la toile nigérienne cette semaine. Eh bien, nous allons parler de cette affaire de harcèlement. Le harcèlement en milieu scolaire, on se demande alors, être une femme enseignante devrait être un calvaire. Amis auditrice et de la FADA, bonsoir. Je m'auto-proclame désormais inspecteur digital de la FADA. Eh bien, je me suis dit que pourquoi ne pas aborder le thème du harcèlement en milieu scolaire Cette semaine, c'est l'audio WhatsApp d'une enseignante qui a attiré l'attention de plusieurs internautes. Oui, vous l'aurez probablement écouté, cette enseignante qui se plaignait d'avoir été affectée dans une autre école parce qu'elle aurait refusé les, avances de son inspecteur pédagogique. Cette affaire qui éclate sur les réseaux sociaux nous rappelle le calvaire que certains employés subissent dans l'exercice de leurs fonctions, surtout quand ces employés sont des femmes. Plusieurs fois, nous avions parlé des affaires de violence faites aux femmes dans cette chronique. Mais spécifier cela dans un domaine comme celui de l'enseignement, c'est une première. Une première grâce aux réseaux sociaux, une première grâce à la dénonciation. Ce qui nous fait conclure cette chronique en disant tout simplement bravo aux réseaux sociaux. Et surtout, bravo aux femmes et hommes qui osent dénoncer les harcèlements, que cela soit sexuel ou non. Accepter de souffrir, eh bien, c'est être complice d'une situation inconfortable. Enfin, quand vous faites face à une situation que vous jugez inacceptable, inconfortable, parlez-en autour de vous, Dénoncer, si possible. Prenez soin de vous. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Bye bye. Merci bien Olivier. Ben tout le monde, c'est la fin de l'émission Tout ça la Fada Français à nous étions avec les jeunes de l'université Abdou Moumouni Dioname. Yau su suka gayyace mu, mu zo mu yi hira bisa kan wannan taro da aka yi a kasar Faransa tsakanin matasan Afirka da shi. da shi shugaban kasar faransa emmanuel macron su dai sun gaya mana dai inda suke positione bisa kan wannan shirin nan kun ji ra'ayinsu bisa kan wannan tsarin wannan taron kuma zan dasa aya bisa kan wannan shirin da wannan magana da salma ta gai ta ce mu matasan afirka ya kamata a ce mun san ina ne ke muna ciwo kan mu je kasar waje ko mu je wani wuri mu nemi magani mu san no proper reality qu'est-ce qu'on a vraiment comme problème avant d'aller chercher des solutions kuma an yi zancen haɗin kai matasan afirka su haɗa kansu don in babu haɗin kai ba inda za a tahiya gobe za ku jin abokin aiki na dondi shi kuma ya je can inda aka yi wannan taron Montpellier ƙasar Faransa can ya je hira tare da matasan Niger wanda suka halarci wannan taron za ku ji shi ma hira tasu yaya ne eh on se dit au revoir tout ça la fada bye bye tout le monde a huta lahiya